Madame, Monsieur, bonsoir. Euh, bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire euh, du studio Kalangou. Trois sujets ont dominé euh, l'actualité cette semaine. Il s'agit de la visite de travail du Premier ministre nigérien Ali Mahaman Laminzen en Turquie du 31 janvier au 3 février 2024. À suivre dans notre Forum de la presse, le rapport sur l'indice de perception de la corruption dans le monde, le Niger est classé en 2023 125e sur 180 pays classés avec une note de 32 sur 100. L'actualité, c'est aussi la situation politique au Sénégal. L'atmosphère est explosive à Dakar depuis l'annonce samedi 3 février du report de l'élection présidentielle par le président sortant Macky L'opposition dénonce un coup d'État constitutionnel. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Abdoulaye Soumana, journaliste indépendant. Abdoulaye Soumana, bonsoir. Bonsoir. Hassan Boukara, journaliste à la radio alternative. Hassan Boukara, bonsoir. Bonsoir. Et Oussé Issa Jibo, journaliste indépendant. Bonsoir Hussein Nissa Jibo. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Nous le disons en titre, le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Laminzen en visite officielle de trois jours en Turquie a été reçu jeudi 1er février à Ankara par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Cette visite s'effectue dans le cadre du renforcement des liens entre Ankara et Niamey sur fond de coopération économique et opposition aux interventions étrangères après le départ des forces militaires spéciales de la France ainsi que le retrait du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CDAO. Dans ce contexte, Erdogan a souligné le soutien de la Turquie aux mesures prises par le Niger pour renforcer son indépendance politique politique, militaire et économique. Hassan Boukara, vous aviez certainement suivi ce déplacement euh, du Premier ministre Ali Mohamed Laminzen en Turquie. Le Niger cherche à diversifier ses partenaires depuis le coup d'État du 26 juillet 2023 qui a entraîné des sanctions de la part de la CDAO. Que peut-on retenir au sujet de cette visite euh, du Premier ministre euh, nigérien Ali Mohamed Laminzen en Turquie Merci Mokhtar. Moi, je ne crois pas qu'on est en train de diversifier on est en train de renforcer déjà des coopérations qui existent. On peut les diversifier d'une certaine façon, oui. Euh, peut-être euh, quand on parle euh, des visites en Russie, en Iran, qui sont des visites. Après le, retrait de la France. Voilà, que le, le Premier ministre a déjà effectué. Mais la Turquie est quand même un partenaire déjà avec lequel, depuis une dizaine d'années, on avait une coopération assez poussée. Je pense que le président Issoufou, l'ancien président Bazoum, euh, avait déjà tissé une relation avec la Turquie, euh, ne serait-ce que par l'achat d'armes euh, en Turquie pour lutter contre la euh, coopération économique, voilà, contre le, le, le, terrorisme, mais aussi à la coopération économique. Je pense que ça arrive à un moment où la Turquie elle-même, elle est très intéressée par l'Afrique. On voit des sociétés turques venir conquérir des marchés au Niger, au Sénégal, dans d'autres pays de la sous-région. le domaine infrastructures. Oui, dans plusieurs domaines en fait. Là, par exemple, on les voit même dans les domaines de l'éducation au Niger. Donc, il y a les infrastructures, il y a la communication, en tout cas dans les domaines stratégiques. Mais c'est aussi un peu partout sur le continent. Euh, comme euh, on le sait, la Turquie est pratiquement une puissance régionale aujourd'hui. Elle a une expertise à exporter sur le continent africain. Elle a des ressources et donc elle essaie vraiment de s'implanter en Afrique. Donc pour le Niger, après les événements du 26 juillet, certains de nos partenaires traditionnels, euh, entre autres ceux de l'Union européenne, qui ne sont plus en bon terme avec le CNSP, donc ont suspendu leur coopération, même s'il y a un retour timide de certains. Et donc, du coup, ce qui reste euh, au Niger, c'est de renforcer le lien avec ceux qui continuent, n'est-ce pas, à échanger avec le Niger, c'est la Russie, c'est l'Iran, c'est la Turquie, et même sur le continent, un pays comme le Togo, euh, on a continué à échanger, puisque le Togo, d'un point de vue diplomatique, euh, s'est aussi rapproché davantage avec le, la c'est un pays de la CDAO. Oui, malgré que ce soit un pays de la CDAO. On a même vu le premier aller au Congo. Hein. Donc, tous les pays avec lesquels, euh, en tout cas, une relation est possible. Je pense que le Premier ministre euh, continue à aller. Et sur euh, la Turquie, encore une fois, du point de vue de la lutte contre l'insécurité au Sahel, la Turquie s'est présentée comme un partenaire à la fois du Niger mais aussi des autres pays. Donc pour moi, c'est tout à fait logique que le Premier ministre... Et c'est normal. Oui, qu'il veuille se rendre dans, dans, dans, ce pays. Il ne serait pas surpris, par exemple, qu'il puisse effectuer prochainement un voyage en Chine, en Inde, qui sont les pays des BRICS, et qui ne sont pas forcément alignés sur la même position que les Occidentaux par rapport aux événements au Niger et au Sahel en général. Donc pour moi, c'est une visite. Si, j'étais à la place du Premier ministre, je ferais cette visite, en tout cas les pays qui acceptent de... De, de, coopérer, avec, le Niger. Et il n'a pas beaucoup de choix. Hein. J'imagine que euh, la qui est la sienne en ce moment, dans un pays où il faut à la fois trouver des ressources pour assurer le minimum, c'est-à-dire payer les salaires, assurer la lutte contre le terrorisme, faire, en des sorte, sanctions qui pèsent. Euh, faire en sorte que l'administration puisse fonctionner. Donc partout où vous avez l'espoir qu'ils peuvent aider le Niger à aller de l'avant, je pense qu'il ne peut que faire ce choix-là. Merci beaucoup Hassan Boukara, Abdoulaye Soumana. Le Niger et la Turquie entretiennent des relations de partenariat dans plusieurs secteurs. Hassan Boukara l'avait euh, souligné tout de suite, tels que l'éducation, la santé, les infrastructures et la sécurité le Niger est-il sur la bonne voie Merci, Monsieur Mokhtar. Le Niger ne peut qu'être que sur la bonne voie dès l'instant où la Turquie est un partenaire stratégique de longue date. Boukar l'avait euh, souligné, tout, à l'heure, autant de Issoufou et son prédécesseur euh, Bazoum. Et aujourd'hui, le CNSP qui, d'une certaine mesure, a été, euh, disons, isolé, maintenant est en train de faire un retour sur la scène internationale. Et je je pense que c'est de bonne guerre que le, le CNSP aille vers ses partenaires, ceux-là qui ont quand même, qui, sont restés à son écoute au moment où le Niger est sous sanction de la CDAO et également de menaces d'attaque de, euh, de la CDAO et notamment euh, la France qui n'a pas quand même, d'une certaine manière, joué pleinement sa partition dans la lutte contre le terrorisme que nous vivons depuis pratiquement plus de dix ans. Et c'est d'ailleurs même l'une des raisons qui a fait que le CNSP est intervenu sur la scène euh, politique. Euh, est-ce que le choix du Premier ministre ou bien euh, de l'exécutif nigérien rassure les Nigériens Bien sûr, le champ ne peut que rassurer du moment où aujourd'hui les Nigériens sont unanimes sur le fait qu'il faut tourner plus ou moins d'eau à, l'Occident et diversifier les partenaires, renforcer ce qui existe et repartir sur de bonnes bases dans un partenariat gagnant-gagnant, comme on peut, on le dit. Voilà. Donc, euh, les Nigériens fondent beaucoup euh, d'espoir à ce concernant ces nombreux déplacements de ces derniers jours-là du Premier ministre. C'est légitime et puis de, bonne guerre parce que aujourd'hui l'intrusion du CNSP au devant de la scène euh, politique, politique euh, nationale a suscité beaucoup, beaucoup d'espoir. Également, c'est la société civile nigérienne, la population dans son ensemble se sont retrouvés à travers, euh, n'est-ce pas, les idéaux qu'incarne le CNSP. C'est donc normal qu'aujourd'hui, les Nigériens dans leur ensemble, en tout cas dans leur écrasante majorité, se retrouvent dans les actions que le CNSP est en train de poser jusque-là. Merci beaucoup, Ablaïsoumana, Soumana, Ousseini Sajibo. En marge euh, de cette visite, le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé que la Turquie s'oppose et continuera de s'opposer aux interventions militaires étrangères visant le peuple nigérien. Erdogan a aussi annoncé l'intention de la Turquie de renforcer son soutien au Niger et de prendre des mesures pour accroître le volume des échanges commerciaux entre les deux pays. Quelle est votre opinion au sujet de la coopération entre le Niger et la Turquie Moi, je pense que c'est tout à fait normal qu'ils tiennent ce discours. Erdogan a toujours été opposé aux Occidentaux, aux velléités de contrôle des espaces africains et tout et tout. Il a de tout temps été comme ça. Il considère que c'est une espèce d'esclavage, n'est-ce pas Et vous savez aussi il y a un peu l'opinion occidentale vis-à-vis -vis de la Turquie. La Turquie n'a rien à envier aux pays occidentaux. Vous l'avez visité, Absolument rien du tout. On était avec vous. <laughs> ok. Alors, à partir de ce moment, quand il dit ça, il dit, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle et aujourd'hui, il est dans une dynamique parce que pendant longtemps, on est resté enferré dans le carcan des Occidentaux où c'est eux qui déterminent un peu quel type de relation vous pouvez entretenir avec, qui, il avec qui entretenir et tout et tout. Aujourd'hui, le carcan là a été brisé. Alors, à partir du moment où le carcan est brisé, où c'est nous-mêmes qui allons vers ces partenaires-là, où on se méfiait. On ne voulait pas aller de manière frontale pour que, parce que tout simplement, ça allait susciter des critiques et tout et tout, des observations souvent, même euh, des sanctions contre le pays. Aujourd'hui, il n'y a plus ça ce n'est pas nous qui avions décidé de rompre avec euh, les pays de l'Union européenne. à un événement. Ils se sont mis dans une logique où ils considèrent qu'ils ne peuvent plus coopérer avec notre pays parce que tout simplement, il y a un changement de régime anticonstitutionnel. Et ils n'ont pas tenu compte du fait que ce n'est pas la faute au peuple. Si cet événement-là est intervenu, le peuple n'avait pas un mécanisme, un moyen pour empêcher ce genre de choses, des coups d'État. Quand ça arrive, ça arrive. Maintenant, malgré le fait qu'ils aient constaté qu'il y a eh, un soutien massif des populations, ils ont continué à rester dans cette logique. Moi, j'ai dit à partir de certains temps. moi, je sais que c'est quelqu'un, chaque fois dans son discours, il ne les rate pas, hein, les Occidentaux. À chaque fois, si du tac au tac. Vous l'attaquez, il vous attaque de manière frontale. Les pays occidentaux, ils le savent, les présidents occidentaux le savent. Il n'a rien, il n'a rien à envier avec ces gens-là. selon vous, c'est un partenaire sûr. Mais il n'y a pas de doute. Moi, à mon niveau, il n'y a pas de doute, c'est un partenaire sûr. C'est des gens, quand on va intensifier, parce que tout à l'heure, vous avez dit, c'est pas une nouvelle coopération, c'est une coopération qui existe, mais il y avait des limites dans la coopération qu'on devait, qu'on pouvait entretenir avec un certain nombre de pays. Les Occidentaux qui étiquetaient les pays. Voilà quel type de coopération vous pouvez lier avec tel pays, quel type de coopération. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. On va aller là où se trouvent nos intérêts. S'ils sont prêts à faire des investissements, à développer l'industrie dans nos pays, on est preneur. Parce qu'il faut développer l'industrie, il faut développer, c'est ça qui permet de développer des pays. Mais pas venir avec des aides budgétaires insignifiantes qui ne peuvent pas permettre aux populations de sortir de la misère. Moi, c'est en cela que j'ai dit, tout ce qu'il est en train d'entreprendre, en tout cas ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, aller vers les Russes, aller vers l'Iran, aller vers euh, le Congo, moi j'ai dit c'est une très bonne chose. On va dans une dynamique gagnant-gagnant. On sait ce qu'on veut, on va ceux qui peuvent nous donner satisfaction que de rester dans un carcan où on est resté pendant plus de 65 ans sans pouvoir sortir de euh, l'auberge. Merci beaucoup Hussein Issa. Le Premier ministre nigérien a récemment effectué des visites en Russie, vous l'avez rappelé, en Iran où il a signé des accords de coopération bilatérale. Question unique à vous trois. Euh, selon vous, quelles sont les attentes des Nigériens au sujet de toutes ces visites du Premier ministre Je commence avec vous, Hassan, rapidement. Je pense que c'est de pouvoir défendre les euh, intérêts économiques du Niger. Je pense que Hussein a <laughs> déjà abordé cet aspect-là. Si on a aujourd'hui euh, des investisseurs qui peuvent venir investir dans des domaines stratégiques, si on peut aller dans un domaine d'échange, d'expertise, parce que aussi, euh, une des erreurs qu'on a commises pendant des années, les gens viennent avec leur expertise, et le repartent avec. Est-ce que on peut aussi travailler à partager l'expertise de ceux qui sont en avance sur nous dans, dans, dans certains domaines. Je vois par exemple les travaux que font les Turcs ici au Niger, au Sénégal, dans d'autres pays. Il y a une expertise qu'on doit pouvoir partager, euh, n'est-ce pas Mais je pense que une des choses qu'on attend aussi, c'est un peu mettre fin à l'isolement. Je pense que c'est qui passe aujourd'hui. Les Occidentaux cherchent à isoler l'AES, cherchent à isoler le Niger. La CDAO fait la même chose. Donc je pense que la démarche du Niger aujourd'hui, au-delà de ce qui relève de la coopération traditionnelle entre les pays, notamment les rapports économiques, il y a aussi une volonté de dire, écoutez, euh, vous voulez nous imposer euh, un encerclement, mais il y a des pays qui sont prêts à partager des, choses avec nous dans ces moments difficiles. Donc on saisit euh, les opportunités que nous avons pour être présents aussi sur la scène internationale. rapidement. Oui, effectivement, pour être présent sur la scène internationale, sortir notre, notre pays de son isolement, les attentes des populations ne peuvent qu'être que, grandes. Abba vient de, le dire, du point de vue infrastructure, du point de vue éducation, santé, euh, militaire tout, tout, ce que vous pouvez imaginer. Donc, euh, le Nigérien attend de ces rencontres, de ces sorties du Premier ministre, vraiment des, gains, <laughs> comme on dit. Voilà. Merci beaucoup, Ablaï avez Hussein Sajibou, rapidement. Oh, rapidement, le mode de coopération avec ces pays-là, c'est différent du mode de coopération avec les Occidentaux. Hein. Euh, quand ils promettent, ils concrétisent rapidement. Et si on peut te promettre, il faut attendre deux, trois ans avant de voir. Il n'y a pas de conditions. non, il n'y a pas de souvent. Bon, je dis pas dans toute euh, coopération, il y a toujours des conditionnalités, mais eux, ils sont beaucoup plus souples, pragmatiques dans la manière de faire, et c'est ça le plus important. Tandis que de l'autre côté, on va dépenser l'essentiel de l'argent qu'on t'a donné dans des choses futiles alors que voilà les attentes des populations. Moi, je dis, c'est en cela que quand vous voyez un peu avec la coopération entre la, la la coopération entre le Mali et le, la Russie. Vous avez vu en, un laps de temps comment l'armée malienne a, monté en puissance. A, en puissance. C'est des choses qu'on veut. Mais que des gens viennent s'asseoir chez nous pour qu'ils soient là pour nous aider, ils soient incapables de nous donner même, ils nous donnent des des vieilles armes ça sert à quoi Merci beaucoup à vous trois pour vos premières analyses sur notre premier sujet. Chers auditeurs, internautes, restez branchés. Il nous reste encore deux sujets à aborder. On a servi une courte pause. Passons à présent au deuxième sujet du forum de la presse du studio Kalangou. Mardi 30 janvier dernier, Transparency International a publié l'édition 2023 du rapport sur l'indice de perception de la corruption dans le monde. Il ressort que le Niger est classé en 2023 125e sur 180 avec une note de 32 sur 100 derrière l'Angola, la Mongolie, le Pérou, l'Ouzbékistan qui ont 33 points sur 100 chacun. Selon l'Association nationale de lutte contre la corruption, l'ANLC, section transparence internationale, cette stagnation du Niger risque de perdurer au regard du contexte politique actuel marqué par l'insuffisance et ou aussi la faiblesse dans l'application des textes portant prévention et répression de la corruption. Hassan Boukar, le Niger stagne avec 32 euh, points sur 100 et se classe 125e sur 180 pays derrière l'Angola, la Mongolie, le Pérou et l'Ouzbékistan qui ont 33 points chacun sur 100. Euh, Quelle est votre opinion au sujet du serin qu'occupe le Niger je pense que euh, les Nigériens ne seront pas surpris par, par cela. Je pense que euh, il y a presque une unanimité sur le fait que la corruption a beaucoup gagné du terrain dans ce pays. Si je me réfère à certaines déclarations publiques des tenants des, du régime de la Renaissance, à la fin des dix ans du, euh, premier mandat de Issoufou, les tenants de son parti disent qu'un des points faibles de son premier mandat a été la lutte contre la corruption et que le deuxième mandat serait consacré à cette lutte à la fin du deuxième mandat, on s'est rendu compte que cette lutte n'a pas eu lieu. Donc du coup, on attendait beaucoup du président Bazoum. Et donc, vous, faites euh, allusion à l'opération Maiboulala. Oui, toutes ces choses-là, quoi, les, qui, ont été dites euh, au, changement du statut de la, de la créé par décret, puis par une loi, etc. Il y a beaucoup d'intentions qui ont été annoncées et peut-être quelques pas, puisque si je prends la, la c'est l'institution technique, elle a montré qu'elle pouvait traiter des dossiers, euh, soulever des lièvres, soumettre des choses à la justice, mais au fond, on n'a pas vu euh, beaucoup de changements de ce point de vue. Donc, euh, que le Niger stagne, pour moi, ce n'est pas très étonnant. Je vois deux choses qui n'ont pas beaucoup changé. la première chose, c'est vraiment la volonté politique. Or, quand on voit aujourd'hui la façon dont ce pays a été géré depuis une dizaine d'années, la volonté politique, c'est tout ce qui manque. Vous avez des acteurs politiques qui sont eux-mêmes qui traînent des casseroles, qui sont impliqués, à certains niveaux, on peut dire que ces acteurs politiques ont érigé la corruption en règle de gouvernance. Rappelez-vous du moment où on pouvait débaucher des parlementaires, on pouvait débaucher des, etc. On utilisait l'argent. C'était vraiment la, la, corruption. On le voit dans tous les domaines. L'audit du ministère de la Défense a montré que même en des moments cruciaux où l'intégrité du territoire est en jeu, il y en a par le jeu de l'argent qui peuvent s'engager. Donc, il y a énormément de choses qui montrent que la corruption a été à la limite promue dans ce pays pendant cette année. Donc, une des choses qui aurait permis d'impacter vraiment d'avoir des résultats sur la lutte contre la corruption, c'est l'engagement politique. Donc, cet engagement politique, on ne l'a pas. Deuxièmement, le rôle de l'opinion. Moi, j'entends beaucoup de discours sur le fait qu'il faut lutter contre la corruption. La question que je me pose, c'est est-ce que quand on tient ce discours, on le fait parce qu'on mesure les conséquences de la corruption dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la, santé, dans le domaine de la sécurité. Dans Est-ce qu'on est vraiment conscient du fait que, avec la corruption telle qu'elle se propage aujourd'hui, on ne peut pas atteindre les objectifs de développement Ou alors, est-ce que certains discours sur la corruption, c'est simplement parfois on vise quelqu'un, on veut que quelqu'un se retrouve, on indexe quelqu'un, etc., sans remettre en cause le système qui a amené le pays à ce niveau. Donc, au sein de l'opinion, si vous voulez, je ne suis pas très convaincu il y a aujourd'hui une forte volonté de dire avec la corruption, on ne peut pas avancer. On peut faire de beaux projets, on peut mobiliser des ressources, mais la corruption est quelque chose qui gangrène tout système que vous mettez en place. Donc, du coup, on ne peut pas avancer. Donc, si on avait une opinion qui est vraiment engagée dans cette lutte. Vous voulez dire que l'opinion publique nigérienne n'est pas tellement assez forte pour euh, amener les autorités à lutter véritablement contre la corruption Je veux dire qu'elle est très tolérante je, pense que l'opinion a été suffisamment tolérante. Euh, d'autres vous diront hein, que c'est peut-être aussi la société qui perd ses valeurs. Euh, quelqu'un qui vole l'argent public, quelqu'un qu'on retrouve dans des cas de corruption. Avant, vous n'élevez pas haut la voix comme on le dit dans nos sociétés. Mais aujourd'hui, ça ne dit rien aux gens. Hein. vous êtes enrichi par la corruption. Les gens ne regardent pas la couleur de l'argent, par exemple. Donc, je pense qu'il y a aussi un travail de l'opinion. Pour moi, l'opinion n'a pas suffisamment montré que quoi qu'il en soit, elle ne veut pas laisser prospérer, même dans des domaines comme l'éducation. Je vais euh, référer un peu à certaines études faites par, le LASDEL, par exemple, qui montrent comment ça déstabilise l'administration, comment des secteurs aussi importants que l'éducation et la santé souffrent aujourd'hui de la propagation de la corruption. Les médias les médias ont quand même un rôle extrêmement important. Ailleurs, euh, sur le plan international, on voit aujourd'hui l'engagement des médias. Il y a des choses qui sont faites ici. Je ne suis pas sûr que c'est suffisant. Donc, à mon avis, pour que les choses bougent, on sait à peu près ce qu'il faut faire. Pour l'instant, on n'y est pas. Comme le disent les Burkinabés, c'est bon, mais c'est pas, c'est pas arrivé. <laughs> Merci beaucoup, Hassan Boukara. Hussein Sajibou, l'IPC, l'indice de perception de la corruption 2023 montre que dans la plupart des pays, la lutte contre la corruption dans le secteur public n'a pas significativement progressé. La moyenne mondiale de l'IPC reste 43 sur 100 Comment expliquer euh, cet état de fait D'abord, moi, je vais commencer par te dire, ce qui a amplifié la corruption dans nos pays, c'est d'abord la démocratie mal, mal comprise, n'est-ce pas C'est ça qui a amplifié la corruption. Je ne veux pas aller loin, je ne veux pas faire des détours. Vous, voulais voulez dire que les Nigériens la ont, démocratie, pas bien compris la démocratie. C'est juste un label. Alors que la démocratie, c'est l'un des systèmes les plus fiables qui puissent garantir la transparence. Ici, chez nous, un peu partout en Afrique, n'est-ce pas Il y a le cas sénégalais qui vient de se produire. On peut penser que le Sénégal, c'est quand même un pays où le, niveau, comment dire, des, politiciens est arrivé à un, certain stade. On va aborder, on va aborder la situation du Sénégal Mais J'ai juste une parenthèse. Quand j'ai dit n'est-ce pas, ça ne peut que gagner l'administration publique. C'est tout à fait normal que ça entre dans l'administration publique parce que l'administration publique est gérée par le politique n'est-ce pas Quand on nomme des gens qui n'ont aucune compétence, parce que tout simplement, ils sont partisans, et c'est leur parti qui est au pouvoir, n'est-ce pas Ça, d'abord, ça commence par là. On fait un concours. Alors, chacun amène sa liste, son quota. On a vu ça dans ce ah, pays Mais bien évidemment. Alors, et on ferme les yeux, parce qu'il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de sanction quand on veut véritablement lutter contre la corruption, et dans tous les pays, un peu, en en Afrique subsaharienne, c'est ça qui la l'administration. Selon vous, c'est l'impunité qui... L'infirmier, l'infirmier, il a vu que le, ministre lui-même, il prend. Comment voulez-vous que l'infirmier soit intègre Il apprend que le ministre, il s'est enrichi grâce à ceci, cela. Ça pose ce sérieux problème-là. Quand l'enseignant constate que le directeur de l'école, lui-même, il fait des bricoles, Comment voulez-vous que l'enseignant, s'il a la possibilité de, sans sanction, parce que tout simplement, c'est un politisé. Ça dit que c'est la politique qui l'a amené à son poste. Il sait qu'il va poser l'acte sans être sanctionné. Voilà le vrai problème. C'est pour ça que quand moi j'entends on est resté, comment on va lutter On met des institutions en place, des structures en place pour lutter. J'ai dit c'est faux. Avez-vous fait C'est faux. Hussein Issa en tant que journaliste, avez-vous fait quelque chose au, sujet de l'or, euh, la situation de l'or qui, qui défrait la chronique J'ai écrit jusqu'à l'international, j'ai écrit sur ça. Mais regardez cette affaire de l'or. Regardez. On, parle de 1400 kilos d'or. est en train de s'étasser. On ne sait même pas ça appartient à qui. De l'or qu'on a, qui a quitté l'aéroport de Niamey, qui a été intercepté, saisi à, l'aéroport Ici, on se pose la question, y compris des ministres ils ne savent même pas si l'or vient du Niger ou pas. Comme si on pouvait voyager dans un avion comme ça, où des bagages peuvent embarquer dans un avion comme ça. Et paradoxalement, on a balayé tout ce qui était en poste au niveau de 5 eh, francs, hein, c'est quand même une importante. Alors, quand on euh, voit des choses comme ça, et qu'on dise que bon, il faut attendre, il y a des investigations qui sont en train d'être menées, on se pose bien des questions. Mais il y a eu beaucoup d'affaires comme ça, n'est-ce pas Et c'est en cela que j'ai dit, si on veut lutter véritablement contre la corruption, il faut des sanctions sévères. C'est-à-dire, il n'y a pas d'arrangement. Mais malheureusement. Contre le corrompu et le corrupteur. Mais non, il n'y a pas d'arrangement. On ne peut pas arranger. Parce qu'il faut la, pédagogie de l'exemple. Mais quoi qu'on dise, hein, quand les gens parlent souvent, autant de conseils, pourquoi les gens ne touchaient pas au deniers public Parce qu'il n'y a pas de possibilité d'échapper. Quand vous touchez au deniers public, même si c'est ses propres parents, il les sanctionnent. Alors, on se retrouve dans une situation où c'est à la tête du client. Ah, c'est notre militant. Il faut le protéger. Il est impliqué dans des histoires de malversation. On le saute de son poste, on lui trouve un point de chute doré il y a eu beaucoup de cas <laughs> sous, la Renaissance. Merci, ah. merci beaucoup, Sénissa Jubo. Abdoulaye Soumana, Transparence internationale en Niger a estimé que la forte demande sociale pour plus euh, de justice, de sécurité, de jouissance des droits et libertés garantis par les instruments juridiques internationaux ratifiés par le Niger et au regard rang euh, du Niger peu honorable dans l'indice de perception de la corruption 2023, les pouvoirs publics doivent, au-delà des discours, comme l'a dit Hussein Issa combattre avec détermination le phénomène de la corruption et les infractions assimilées, car il n'y a pas de survie même de l'État. À quand le bout du tunnel, selon vous Bout du tunnel <laughs> C'est trop dire, hein, monsieur Mokhtar la corruption à Est-ce qu'un Niger sans corruption est possible Difficile. Est-ce qu'il y a même un État sans, corruption. sans corruption Je ne sais pas, hein. je n'en sais rien. Peut-être que c'est à des degrés différents, à des degrés divers. Maintenant, pour ce qui nous concerne au Niger, on a beaucoup plus, on a beaucoup plus euh, tendance à comprendre que c'est surtout des professions de foi de nos gouvernants. N'est-ce pas ah, vous, vous, aussi, selon vous, il y a un manque de volonté politique Il y a un manque de, de volonté, d'engagement politique. Il ne suffit pas de mettre sur pied des structures, des institutions pour dire qu'on va lutter contre la corruption et que au finish on constate que eh, la corruption ne fait que va, eh, ne fait que eh, s'accentuer. Donc euh, à mon sens, je crois que pour sortir de cette euh, situation de l'ornière, la corruption a encore euh, de beaux jours devant elle au Niger. Comment faire pour un peu endiguer ce phénomène selon vous endiguer ou peut-être euh, amoindrir, euh, l'impact. Peut-être c'est donner à la justice euh, toute sa force, n'est-ce pas Ensuite également qu'on sache que le bien public est sacré et il faut le protéger. Voilà. vous avez quelque chose à Quand tu parles de justice, même dans la justice, c'est là même le nœud de la corruption, le foyer, n'est-ce pas Regardez quand on nomme quelqu'un à un poste, en conseil de ministre, il a un décret. Les gens appellent pour le saluer. Pour le féliciter. Pour le féliciter. Vous pensez que c'est pourquoi Quand c'est un endroit juteux, c'est parce que chacun pense que il va aller bricoler, trouver quelque chose. Alors, on ne peut pas endiguer ce fléau. Moi, j'ai dit, j'ai dit la cause. Hein. L'amplification de ce phénomène-là, c'est la politique politicienne. C'est pas la démocratie en soi. Mais les gens ont travesti les principes de la démocratie. Et voilà le danger. Et on continue dedans. Parce que vous regardez, quand vous regardez, il n'y a même pas l'éducation à la citoyenneté des militants. Le militant est là. Bon, alors, on ne va pas lui apprendre à devenir un citoyen responsable et tout et tout. On le maintient dans sa situation. Quand les élections vont venir, on amène savoir, on amène ceci, cela. On trouve un leader dans une zone, on lui dit, bon voilà, il faut chercher des militants. Alors, à partir de ce moment, comment pensez-vous qu'on peut finir avec ce fléau-là On ne peut pas finir. C'est les hommes politiques même qui ont cultivé, qui lui ont donné cette ampleur-là. Moi, je ne vais pas faire de détour autour de cette question-là. Merci beaucoup à vous tous pour vos points de vue. On prend une pause avant d'amorcer la troisième et dernière partie de ce forum. Au Sénégal, l'Assemblée nationale a adopté lundi 5 janvier sans débat le projet de loi portant un report de la présidentielle du 25 février 2024 après l'évacuation forcée des députés de l'opposition. Le scrutin se tiendra le 15 décembre 2024 à la faveur d'un amendement alors que le texte initial préconisait un report de six mois. L'article 2 du texte adopté proroge le mandat du président sortant Macky Sall euh, jusqu'à la passation de service avec son successeur. 104 députés ont donc voté pour et une voix contre sur les 105 qui compte le Parlement au terme d'une plénière houleuse suspendue à plusieurs reprises. le vote s'est déroulé finalement en l'absence des députés de l'opposition évacués de force de la salle par les éléments des forces de défense et de sécurité. Quelle est votre opinion au sujet de la situation politique au Sénégal D'abord, moi je considère que ce n'est pas un vote, c'est un braquage. Tout simplement. Pourquoi tu vas parler de vote on vient avec des gendarmes, on dit aux députés, on les force à sortir. Les députés de l'opposition. Les députés de l'opposition. À partir de ce moment, c'est plus une assemblée c'est un clan qui a décidé que Macky Sall va continuer en violation des dispositions prévues par les textes sénégalais. Alors on va me parler de vote. Oui, parce que le même narratif des institutions CDAO, machin, tout ça là. Il n'y a pas eu de vote. C'est un coup d'État en bonne et due forme. C'est un coup d'État. voilà ce que le, Sénégal fait partie quand même des pays qui ont sanctionné sévèrement euh, le Niger mais à la suite du coup d'État du 26 juillet. Ça, ça c'est un civil le coup d'État. Mais il y, a une différence entre le coup d'État constitutionnel et le coup d'État militaire. Et en plus c'est un membre du syndicat. À partir du moment où c'est un membre du syndicat. Syndicat du, quoi Syndicat Syndicat des chefs d'État. Ah, de la CDAO Mais bien sûr. Mais on ne va pas lâcher notre militaire. Ce que cela veut dire. Ce <laughs> que ça signifie. Non, sinon, sinon, quelle est la différence Ici, c'est des gens qui tiennent les armes. Le même Macky Sall a utilisé les armes pour faire son forfait, pour, sa, forfaiture, pour, faire sa forfaiture, le fait d'investir un parlement, alors, ça veut dire que <laughs> le parlement même, ça m'appartient. Comme vous n'êtes pas d'accord que je puisse prolonger. Lui, il dit six mois. Mais finalement, c'est presque les, les, élèves sont venus, ils ont dit non, six mois, c'est peu. Tu peux continuer jusqu'à... Jusqu'au 25 décembre. alors, c'est ça qu'on appelle démocratie. Voilà le problème. Et ça, c'est l'effet de la corruption. Le Sénégal, quand même, on peut considérer c'est un modèle. De la démocratie euh, en Afrique de l'Ouest. Un modèle démocratique fort en Afrique. Mais on voit des situations comme ça. Et la CEDAO, vous avez vu le comportement de la CEDAO Ils exhortent à, trouver une solution, comment dire, une solution par le dialogue. Mais est-ce qu'on a besoin de dialoguer dans, un cas dans le cas d'espèce Le monsieur, il a braqué. Il devait s'en aller. Il refuse de s'en aller. Mais où est la différence Et il a utilisé la force publique. Parce que ce n'est pas sa force, c'est la force publique. Alors, la différence, c'est seulement hein, c'est un civil. mais dans cette confusion, comment ramener la sérénité au Sénégal ah, mais Comment on peut ramener la sérénité Mais quand ceux qui doivent, quand ceux qui doivent Veillez à ce que les gens, que, tu que les civils qui sont au pouvoir respectent ce que prévoit les textes. Eux qui ferment les yeux, c'est pas les négociations. Si on veut dire, il faut aller négocier, mais ils vont négocier avec qui Cela, là ils, ils, ont mis les ah, opposants ah. devant le fait accompli. On a décidé que Macky Sall va continuer jusqu'au 15 décembre. C'est comme ça. C'est nous qui avons le pouvoir. Nous avons la force publique avec nous. Nous allons on a vécu ça ici. Merci beaucoup, <laughs> Merci beaucoup. Ablaï Soumana, lors d'une adresse à la nation, le président Macky avait annoncé l'abrogation du décret portant convocation du corps électoral le 25 février 2024, annulant de facto sinédier la présidentielle pour laquelle 20 candidats étaient en lice. Comment expliquer cette situation? C'est sa dernière trouvaille, la dernière trouvaille de Macky Sall pour euh, c'est la dernière trouvaille de Macky Sall pour que les élections ne puissent pas être euh, organisées dans les règles de l'art, sachant pertinemment qu'il est impopulaire et que l'opposition. Mais, ce n'est pas, lui le candidat, il a un Bon, je peux dire. Non, l'opposition, l'opposition a de fortes de revenir euh, au pouvoir. Donc, c'est ce qu'il craignait. C'est la crainte, à mon sens. Hein, à mon sens, je crois que c'est le contrôle de le retour de l'opposition qui le fait vraiment craindre, euh, qui a fait en sorte que. Mais c'est aussi cela la démocratie, Ablaï. Oui, mais <laughs> qu'est-ce que vous voulez Nous sommes en Afrique, une démocratie tropicalisée. Le Sénégal, quand même, s'est illustré pendant tout ce temps un modèle, de, démocratie, n'a jamais connu de coup d'État, n'a jamais connu d'interruption volontaire de la démocratie par les militaires, de Senghor jusqu'à jusqu'à Macky Sall, en passant par Ablai Wad, etc. Et aujourd'hui, c'est pratiquement une insulte à la démocratie que le, le, Sénégal vient de nous, de asséner à travers Macky Sall selon vous, qu'est-ce qui explique euh, ce, report Est-ce qu'il euh, y a des, arguments euh, forts pour reporter les élections du 25 février Non, mais moi je ne vois pas s'il y a des arguments pertinents, convaincants, hein, à, mon sens, étant donné que l'ouverture de la campagne était, à quelques petites heures quand il a pris cette décision, historique de, reporter, de, les élections. Voilà, je ne peux pas comprendre. Est-ce que euh, vous êtes surpris euh, de, cette position du président Macky Sall Bon, surpris, peut-être hein, très surpris, mais quand on fait une lecture de ce qui s'est passé, de ce qui vit le Sénégal, la situation politique du Sénégal ces, derniers temps, on peut se dire que euh, Macky Sall ne voulait pas lâcher du, du lest. C'est ce que je viens de dire, que l'opposition risque de, revenir euh, au, pouvoir. On sait que euh, son challenger de taille, qui est pratiquement en prison aujourd'hui, euh, Ousmane, Sanko, qui est adulé par la, jeunesse, n'est-ce pas Et son concurrent de, de taille qui pouvait revenir au pouvoir, gagner les élections. Voilà. Merci beaucoup Ablaï Soumana, Hassan Boukar, la chaîne de télévision privée Walfajiri TV a vu son signal coupé dimanche soir par les autorités pour incitation à la violence. Le ministre de la Communication a aussi décidé lundi de la suspension provisoire de l'Internet des données mobiles à cause de la diffusion des messages haineux et subversifs relayés sur les réseaux sociaux. Cette situation est-elle prévisible selon vous Alors, c'est difficile de répondre. Hein. Euh, moi, je dirais comme Abdoulaye il y avait déjà quand même des signes inquiétants. Autant le Sénégal a été présenté pendant des années comme étant <coughs> vraiment le modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest, autant ces derniers temps, il euh, y avait quand même des signes qui sont assez inquiétants, qui laissent présager que les choses pourraient prendre ce tournant-là. Sous Abdullah Ouad déjà, Sob de la déjà, on a vu quand même des choses qu'on ne pouvait pas imaginer au Sénégal. Euh, la façon dont il a forcé la main à la fois à l'institution judiciaire, à l'opinion, pour aller coûte coûte vers un troisième mandat. La façon dont les libertés individuelles étaient malmenées. J'ai vu au Sénégal de la watt comme vous l'avez dit sur le cas de Al-Fajiri, où des forces de sécurité sont allées aussi dans des rédactions, détruire le matériel des médias, comme on l'a vu ici pendant la 4 République. Donc, il y avait déjà ces signes. Et quand Maki est arrivé, on pensait que l'épisode Ward était juste une parenthèse. On tourne la parenthèse et on retrouve la démocratie avec Macky Sall. Alors, on voit ce que ça donne. Ce que Maki a montré, c'est d'abord l'usage de certains pouvoirs que la Constitution lui donne pour lutter contre ses opposants au lieu de l'investir pour le, développement du Sénégal. Il a commencé par Khalifa Sall. Il a continué, oui, il a continué avec son co, n'est-ce pas Alors, tout ça, les Sénégalais l'ont quand même laissé grignoter, grignoter du territoire et la pensée qu'ils pouvaient tout faire. Je pense que il a déjà montré aujourd'hui qu'il pouvait utiliser. Là-bas aussi, c'est à cause de la faiblesse de l'opinion publique. Euh, il, y a sans doute la faiblesse, mais il y a surtout un problème du fonctionnement des institutions. La démocratie, euh, telle qu'on l'a conçue, on pense qu'il y a une séparation des pouvoirs, de telle façon que si un des pouvoirs, comme l'exécutif ou un autre, va à la dérive, les autres l'arrêtent. Mais on voit quelqu'un qui prend une position, qui se met carrément hors des dispositifs constitutionnels sénégalais et l'Assemblée, qui est le deuxième pouvoir, qui aurait pu l'arrêter, lui donne encore plus d'énergie pour continuer de l'avant. Donc ça pose la question de la séparation des pouvoirs et tant qu'on n'a pas cet équilibre, la démocratie, c'est vraiment un leurre. On l'a vu ici. Hein. Imaginez un seul instant pendant la présence de M. Issoufou qu'il puisse prendre une position. Est-ce qu'on peut <laughs> imaginer le Parlement nigérien l'arrêter C'était pas possible. Donc on est aussi dans cette situation au Sénégal. Maintenant, mais comment amener ces institutions à accomplir véritablement leur mission C'est un travail, c'est un travail de longue haleine. Il faut véritablement, par exemple, il y a des choses qui peuvent être corrigées, ce qui doit être corrigé dans les textes on peut les corriger. Si, on réfère la situation au Niger, par exemple, euh, le, pouvoir judiciaire a toujours dit on a une situation qui n'est pas normale parce que le chef de l'exécutif au Niger, il est aussi le chef du judiciaire. Parce que le président de la République, il est le président euh, du, Conseil supérieur de la magistrature. donc, voilà, on, a toujours voulu au, niveau du Conseil supérieur de la magistrature que l'exécutif ne puisse pas le présider parce que on a un chef pour deux institutions qui devaient être indépendantes. Donc, les, les spécialistes posent par exemple ce débat-là. Il y a donc un travail pour arriver véritablement à des institutions qui sont indépendantes et c'est comme ça que la démocratie peut marcher. Mais l'agissement de monsieur Macky Sall aujourd'hui, ça enfonce davantage le Sénégal et tous ceux qui disent regardez le Sénégal, un pays peut un coup d'État, ils sont en train de casser ce miroir-là. Le Sénégal est finalement en train de passer de sa position, euh, n'est-ce pas, d'un pays qui est l'exemple de la démocratie à un pays qui se comporte aussi comme tous les autres. Comme Ousseini l'a dit, hein. euh, euh, regardez la façon dont les institutions sont gênées. Alors, les gens sont un peu gênés. Autant quand il s'agit du Niger, du Burkina, alors les prises de position sont fortes. Là, euh, peut-être la différence, c'est les États-Unis qui ont eu quand même une position extrêmement forte par rapport à ce qui se passe au Sénégal. Mais sinon, euh, l'Union africaine, la CDAO, on est un peu gêné, quoi, parce que euh, c'est pas le Sénégal ni le Burkina, donc on est gêné de prendre des positions fortes. Mais en même temps, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État qui s'est passé. Merci beaucoup, Hassan Boukar. Rapidement, en 30 secondes, quel avenir pour la démocratie au Sénégal rapidement. Pas seulement au Sénégal. Moi, je parle de la démocratie de manière générale en Afrique subsaharienne. Parce que quand on parle de... Il faut que les gens admettent que en démocratie, et c'est ça, comment dire, la viabilité de la démocratie comme système politique, ça permet l'alternance. Vous avez mal travaillé, que le peuple puisse parvenir à vous sanctionner. Mais ici en Afrique, là. Oui, issue, issue, euh, issue Tout à Abba vient de dire, quelle issue La véritable séparation de pouvoir. Dans une démocratie où tout le monde pense que le président, c'est le super homme. Celui qui contrôle, il donne des instructions à l'Assemblée. Celui qui contrôle les juges. Celui qui contrôle l'armée. Alors, à partir de ce moment, il n'y a plus de démocratie. On a un monarque, quelqu'un qui est là, sous le label, euh, comment dire, euh, démocratique. Il est là, il est puissant, il est plus puissant. On prend des instructions chez lui. Alors, à partir de ce moment, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mettre des garde <coughs> des conditions pour qu'on on dissocie tout. On parle du pouvoir du peuple par le peuple. On parle de séparation de pouvoir, le législatif, le judiciaire et l'exécutif. Il faut que se mette dans la tête que, que l'exécutif ne peut plus, ne puisse plus exercer une influence quelconque. Mais que le député soit un député, comme on dit, tout mandat impératif est nul. <coughs> Merci beaucoup à tous. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités Ablaï Soumana, journaliste indépendant, Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative, et Hussein Issa Jibo, journaliste indépendant. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs et internautes pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios pour suivre l'actu des jeunes suivis de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, Suivez le forum à Houssa et dimanche celui en Zerma. Si vous nous avez suivi en cours de diffusion, pas de soucis. Rendez-vous sur notre site internet www.istudiokalangu.org et sur nos réseaux sociaux. Merci aussi à la technique côté son assurée par Issa Lawali, à la réalisation Mustapha Ayuba. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci, à la prochaine.